salaamaaleykum yéen ñëpp vraiment maa ngi leen di eh, gërëm di leen sant di rafetlu seen teewaay fii tey pour séance d'étude bi di kontaan vraiment ni ngeen ñëwee xam naa ne am mais yàlla moo leen yàlla fayal quoi di leen sant di leen gërëm vraiment di kontaan pour présenter leen album bi. Quand on dit génn naa fi génn naa fi ay album yu bari sur le plan national mais album dit qu'il y ko pendant trois ans et demi pour génne ko sur le plan international ça fait dix ans quelques que maintenant benn album international génn naa ay disques yu bari mais dis-moi, pourquoi c'est important parce que au moment où beaucoup de euh, beaucoup de l'Afrique, c'est parce que je crois que l'Afrique doit, dès le soir, nous dès le du monde, nous nous nous nous justement nous nous quelle est une décision de nous monde. Le monde est pour l'Afrique, parce que l'Afrique aux Africains,

tout Il est temps aussi de éveiller la conscience de nos dirigeants africains, de prendre conscience qu'il y a en Afrique ici. Nous Bayet, d'Haïti, nous quoi que ce soit, parce que les Africains aujourd'hui appartiennent à l'élite. De Madame au Rwanda, li me gën que marqué ci moi, c'est cet esprit de panafricain Voilà. xam nga ñuy dit euh, tout dernièrement ci a album aussi dina wax nañ des thèmes comme Ali hommage à ce grand